le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Monsieur, Dam, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue à ce nouveau numéro du forum. Au micro, Nefis Adam Sirfo. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez suivre à travers nos 31 radios partenaires les forums à Hausa les samedis à partir de 17h15 et les dimanches à la même heure le forum à Langazarma. La thématique du forum de ce soir, c'est la problématique de la production, la communication commercialisation et la consommation des produits locaux on appelle les produits alimentaires locaux des produits distribués et consommés dans un rayon géographique restreint. Le produit local se différencie du produit localisé dans une région ou un territoire justement par la proximité géographique qui existe entre l'activité de production et l'activité de consommation. Selon plusieurs personnes, il existe de nombreuses raisons de consommer local de par la qualité, la rentabilité, la durabilité, les économie des produits également. Malgré cela, dans plusieurs pays comme le Niger, les produits locaux ne sont pas très prisés par la population, une population qui s'intéresse de plus en plus aux produits importés. C'est le cas de plusieurs produits, qu'ils soient du secteur agricole ou artisanal, pour ne citer que cela, qui malheureusement ont une petite part sur le marché local. Dans ce forum, nous allons dans un premier temps parler de quelques produits locaux du Niger. Nous aborderons par la suite les questions autour de leur production, leur commercialisation, et leur consommation ici au Niger. Ainsi voir l'importance et les bonnes raisons de consommer les produits locaux, les dispositions prises par la police sanitaire pour veiller sur les aliments importés tout en assurant une alimentation saine aux Nigériens. Et enfin, chercher les voies et moyens pour amener la population nigérienne à consommer local pour un bon développement du pays. Avec nous dans ce studio pour en débattre, Madame Rabi Arzika, elle est promotrice du salon 100% Made in Niger. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Nous recevons également Monsieur Amadou Dendi. Il est le trésorier général de la Reine. Bonsoir à vous. Bonsoir et M. Hassan Hamidou, chef à service à intervention et coordination de la police sanitaire qui restera en ligne. Vous entendrez également en interview M. Ali Akili, il est artisan au village artisanal de Niamey, et M. Ibrahim Adamoulouché, économiste vivant en France, un des acteurs de la campagne Niger Consommant Local. Chers invités, merci une fois de plus euh, d'être euh, venus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez nous parler brièvement de vos différentes activités, ce que font vos entreprises euh, respectives. Je commence par vous, Madame Rabi. Merci vraiment de, m'avoir donné l'opportunité ce matin ou cet après-midi, disons, de, m'exprimer autour de cette problématique, en tout cas très importante pour notre pays qui est la question de, la consommation des produits nigériens, moi, je, dirige euh, 100% Made in Niger. 100% Made in Niger, c'est un salon professionnel qui regroupe les producteurs et les acheteurs et en même temps aussi les distributeurs professionnels. En fait, c'est une initiative qui est née du constat qu'aujourd'hui qui est inanime, que les Nigériens ne veulent pas acheter Nigérien, On est tous euh, axés sur l'importation et notre balance commerciale est déficitaire. Et voilà. Euh, monsieur euh, Dengui Amadou, vous êtes euh, de l'AREN. Dites-nous, l'AREN, c'est quoi Merci beaucoup. je suis Amadou Dengui, je suis le trésorier général de l'AREN, l'AREN c'est l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger. Et AREN est membre des cadres qui sont particulièrement la, plateforme paysanne et le CCD OPN. Donc euh, tout ceci, euh, particulièrement aussi la plateforme, ils mettent beaucoup l'accent sur euh, la consommation des produits locaux. Ils mm. ont ce qu'on appelle collège des femmes, collège des jeunes, qui sont des acteurs dans ce sens. Euh, avant d'aller en profondeur sur ce sujet qui tient à cœur, à savoir la problématique de la production, la commercialisation et la consommation des produits locaux, je vous propose de suivre cette euh, interview que nous a accordée un internaute nigérien qui vit en France. Il œuvre avec des collègues ici au Niger pour conscientiser la population à consommer local. Il s'agit de M. Adam Loucher qui mène depuis quelque temps une campagne dans ce sens sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi cette initiative On l'écoute. Une initiative, euh, rappelons-le, je ne suis pas le principal instigateur parce que d'autres, euh, euh, il y en avait eu auparavant, avec plus ou moins de succès. Donc moi, j'ai décidé avec quelques amis donc, qui sont établis au Niger de mhm. relancer pour essayer d'inciter nos compatriotes à se rier, à adapter nos produits locaux. Et un des éléments qui nous a poussé, c'est le creusement des, très inquiétant du déficit commercial euh, de notre pays. Donc, à titre euh, de rappel, je vais juste vous donner quelques chiffres. Donc, en 2015, il s'est établi, selon la BCAO, à hauteur de 525,46 milliards de francs CFA. C'est un chiffre qui parle très peu à tout le monde euh, parce que bon, il ne s'agit pas quand même d'une histoire de, je sais pas, de politique ou de famine, mais quand même c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. Et c'est pourquoi on s'est dit bon, autant inciter les gens euh, à consommer local pour essayer d'inverser la tendance. Maintenant, il y a tout un tas d'actions qu'on va mener et qu'on est en train de réfléchir là-dessus. Quels sont les objectifs de la campagne et comment vous pensez y atteindre ces objectifs Alors, il faut savoir déjà qu'il euh, que il y a divers enjeux qui se cachent derrière euh, la consommation de produits locaux, notamment la question d'emploi, parce que nos compatriotes en fait, contrairement aux consommateurs de certains pays du monde, ils ont tendance à opter pour des biens importés, même si leur équivalent ou concurrent existe euh, et produit localement. C'est pour diverses raisons, la qualité, le prix et souvent la méconnaissance aussi des produits locaux. Donc, l'un des enjeux de cette campagne, c'est de faire connaître donc, à nos compatriotes qu'il y a des produits qui sont fabriqués localement et qui peuvent leur permettre quand même de répondre à leurs euh, besoins. Donc, si je prends un exemple, par exemple, les savons, les Niger importe des savons, alors que euh, localement aussi, on a des savons de meilleure qualité, ou bien des vêtements, ou bien des biens culturels. Donc, ça passe par la connaissance, dans un premier temps, des produits locaux. Et cela suppose aussi d'établir une liste des producteurs locaux qui sont plus ou moins reculés donc à travers le pays. On a un pays euh, très vaste. Donc on va aller chercher tous ces producteurs qui sont éloignés, qui font des très bons produits. Donc euh, chercher leur adresse et puis en retour les diffuser auprès du, public. Il y a une idée aussi selon laquelle tout ce qui est produit localement aussi est de mauvaise qualité. Or, en tout cas, l'expérience nous a montré et nous a prouvé le contraire. Donc nous, on essaie de, montrer à travers donc, cette campagne que c'est plutôt l'inverse qui est mieux et c'est en consommant les produits locaux qu'on arrivera à aider nos producteurs à se relancer. Est-ce qu'un problème de prix euh, ne se situe pas à ce niveau, le prix élevé des produits probablement locaux Oui, alors, il est vrai que c'est un des facteurs euh, euh, qui convainc moins nos compatriotes à se vers les produits locaux. Néanmoins, je pense que toute chose nécessite de faire un sacrifice. je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens s'interrogent pourquoi le Niger reste malheureusement en dernier en IDH. C'est une triste réalité, une, nouvelle. Donc les gens doivent se poser certaines questions. Pourquoi le pays peine à décoller, sachant que c'est l'un des pays qui a tout pour réussir. C'est une évidence. Le mm. Niger, c'est un pays vaste, avec euh, une part euh, non négligeable de terres arabes. Autrement dit, on a tous les atouts pour euh, être autosuffisant, être indépendant. Donc là, les prix, je pense que c'est contenu d'un certain nombre de facteurs exogènes comme la monnaie, parce que la, la politique actuelle que mène la BCE, la, Banque centrale euh, de l'Afrique de l'Ouest, est une politique qui n'est pas malheureusement adaptée à nos réalités locales. Donc euh, l'arrimage du franc CFA à l'euro fait que donc les produits qu'on produit localement coûtent très cher par rapport, sont moins compétitifs par rapport à leurs concurrents étrangers. Sans oublier du fait qu'il y a aussi euh, l'insuffisance de l'énergie, donc au niveau local, l'électricité pour produire les produits elle est très chère. À cela s'ajoute aussi le manque d'infrastructures souvent, donc l'état des routes qui n'est pas à la hauteur, qui est dégradé, et puis tous ces facteurs, le, prix du carburant, qui font en sorte que les produits qui sont fabriqués localement reviennent plus chers par rapport à leurs concurrents étrangers. Donc nous, à travers notre campagne, on essaie d'inviter nos concitoyens à faire ce sacrifice, d'accepter ce prix élevé parce que ça reflète la qualité de nos produits et puis c'est un les mouvements, en fait, il faut cultiver ce patriotisme économique-là. C'est de cette façon que nous allons aider à inverser cette tendance, donc euh, réduire notre déficit euh, de balance commerciale et puis aider surtout nos producteurs euh, à se relever puisque derrière, il y a des emplois derrière. Et puis, c'est des vies de famille. Après, c'est tout un cercle vertus qui va se mettre en place. Alors, euh, chers invités, vous venez d'écouter les motivations de M. Loucher sur cette campagne qu'il mène euh, sur la consommation des produits locaux. Madame Rabi, je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, euh, surtout que vous-même, vous menez, vous avez mené une activité dans ce sens-là oui, vraiment, d'abord, j'apprécie fortement que vous me donnez encore une fois de plus l'occasion de le connaître, parce que moi, je ne connais pas au mhm. courant de cette campagne. Et euh, aujourd'hui, je, le découvre. Donc, je trouve que c'est un partenaire à nous. Et parce que nous, un de nos objectifs, c'est de multiplier le, réseau. Aujourd'hui, il nous faut avoir une fédération indépendante du 100% Med et Niger, des personnes engagées, qui soient intellectuelles, artistes, tout le monde pour, pour passer à l'acte. Et donc, euh, je considère qu'on va continuer. Et maintenant, ce qu'ils viennent de dire, c'est des évidences. Aujourd'hui, dans tous les cas, il y a un lien étroit entre entre le développement de notre pays et, nous-mêmes notre propre comportement. Et tant que nous allons continuer à penser qu'il y a quelqu'un qui va nous dire il faut que tu achètes, ça doit être une prise de conscience euh, systématique. Aujourd'hui, je sais très bien que si je prépare, moi je prépare la carrière de mes enfants. Parce que je me dis, en achetant, j'ai offert un emploi à quelqu'un. Mhm. Et ce quelqu'un, c'est que le lien étroit entre nous qui vivons dans les zones urbaines et les gens qui vivent en bourse, ce n'est que la consommation des produits. Parce que, quel que soit ce que je veux faire aujourd'hui à une femme rurale, si je n'achète pas ce qu'elle fait, c'est zéro. Moi, je vais aller aux Nations Unies discourir pour dire que je représente la femme ou je vais, je vais me pavaner ministre de la promotion de la femme, alors que je n'ai rien fait qui développe une femme quelque part dans le Niger. Pour moi, aujourd'hui, ça doit être un, un stimulant. Se dire, et un défi, dirais-je. C'est dire que j'achète nigérien parce que j'aide une femme, j'aide un homme, j'aide un jeune, j'aide mes enfants et j'aide l'avenir de mon pays. Et c'est vraiment ce qui nous a mobilisés pour nous engager. Et franchement, quand on s'est engagé, on a, on a eu l'écoute des gens, on a eu l'audience, on a eu l'attention de beaucoup de personnes qui ont cru à nous, qui sont venues voir oui, justement, euh, ce salon 100% Made Niger que vous avez organisé le mm. samedi dernier, c'est le premier salon. Euh, parlez-nous un peu en profondeur des objectifs. Quels étaient les objectifs assignés à ce salon Donc, le, premier objectif de, de Niger, c'est d'abord faire découvrir ce que le Niger a. Parce que il y a deux raisons, deux constats qui nous ont euh, mobilisés pour ce projet. Le premier constat, c'est que nous, nous vivons la réalité au quotidien des producteurs nigériens. On voit ça, on sait, moi j'ai travaillé dans le domaine de l'artisanat, j'ai quand même fait pratiquement dix années dedans et j'ai vu que les mêmes artisans que j'ai connus en 1995, je les revois en 2017, ils sont les mêmes. C'est vrai, ça amuse. Moi, ça m'amuse quand je les vois, je rigole. Quoi, tu es toujours là, au même niveau de ça. Mais en réalité, c'est une honte. C'est une honte parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des pays prononcent que leur artisanat est leur industrie et nous, on est là, on, pense que ce n'est rien. Parce que le problème, est parti du fait que on vit avec eux. Et tellement on vit avec eux, on a l'impression qu'ils ne sont rien et que peut-être c'est pas. Pour moi, aujourd'hui, et, moi, depuis 1996, j'entends que l'artisanat contribue à 23% au PIB. Jusqu'à présent, les gens ne se sont pas assis pour revoir ce chiffre-là et le travailler et, aller en profondeur. Oui, il manque, je ne sais pas, une promotion de leurs produits, c'est ça Oui, bon, il manque la promotion du produit. Qui doit faire la promotion du produit La promotion des produits nigériens, ce n'est pas dans les bouquins, ce n'est pas dans les études, ce n'est pas dans les voyages d'études. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit agir. Qui doit agir À mon avis, c'est d'abord, en premier lieu, le gouvernement, ou je peux dire le président de la République. Dans tous les cas, c'est la même chose. Pour moi, d'abord, c'est l'État qui doit acheter. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises, elles payent toutes les impôts. On paye des taxes. Et nous, nous collectons notre propre impôt que moi, je paye en tant que chef d'entreprise. Et on donne ça à quelqu'un. Parce que si on veut faire des achats d'État, on envoie dans un autre pays pour acheter. Ou on donne à un commerçant qui pense que ce n'est rien. Les vrais producteurs sont là, mais on passe par quelqu'un pour, qu'il achète et que lui, il prenne la plus-value et eux, ils sont là. Oui, est-ce que euh, à ce salon-là, il y avait euh, un engouement Est-ce que les jeunes entrepreneurs ont pris d'assaut euh, ce salon-là pour présenter leurs différents produits En fait, voilà le concept du salon. D'abord, ce salon s'adresse simplement à des, jeunes entrepreneurs et des personnes qui se sont démarquées ces cinq dernières années, en soit en créant un produit ou en innovant sur un produit existant, ou, tout simplement les jeunes qu'on a vus très engagés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça n'a pas concerné les grandes, les industries existantes. Et, parce que nous, on veut quoi C'est organiser la distribution des produits nigériens au Niger et à l'exportation comment organiser Pour organiser, il faut connaître. Mhm. Donc maintenant, on a, on a repéré un à un les personnes que vous avez vues. Il y a eu des plateformes, on a été dans les plateformes, rencontrer des plateformes, mhm. voir qui a évolué. Parce que c'est quoi le problème On a toujours tendance à vouloir dire qu'on accompagne tout le monde. En matière d'accompagnement, vous ne pouvez pas prendre beaucoup de personnes. Vous êtes obligé de regarder qui, qui s'est démarqué, du lot. Ceux qui se sont démarqués, on les extirpe et on les fait un accompagnement approprié. Et c'est ce qu'on a fait. Donc nous, nous avons essayé de repérer 33 promoteurs aujourd'hui dont on pense qu'ils sont sortis du, du gros lot. Et à travers Med Niger, on va les accompagner sur un an. Oui, ce sont des produits euh, alimentaires, des produits artisanaux. Voilà, quand on, nous, nous avons dit Made in Niger, on n'est pas simplement allé sur les produits de consommation courante. Quand on dit consommation, c'est tout. C'est mhm. un tout, la consommation. Maintenant, dès qu'on dit consommation, on pense au magie. Alors que nous, on parle de la consommation en macro. parmi les 33 exposants, vous avez des artistes. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que on dit juste industrie culturelle, c'est dans les discours. Mais est-ce que nous, combien de fois quand le président de la République bouge du Niger pour aller aux États-Unis, pour aller partout où il est parti, mhm. est-ce qu'une seule fois, dans son lot de cadeaux qu'il offre, il a pensé à mettre deux CD de la musique nigérienne Alors je reviendrai vers vous, Monsieur Dangui. Vous venez d'entendre toutes ces deux initiatives, euh, qu'il s'agisse euh, euh, de la campagne qui est faite sur les réseaux sociaux et de ce salon qui a été organisé le samedi dernier. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux initiatives pour la inciter la population à consommer local Je pense que c'est des bonnes choses, c'est des choses qui sont à la mode et qui permettent euh, de, euh, de, la visibilité des activités et tout. Mais bon, moi je suis une personne euh, un peu âgée, donc je suis dans le regret de constater que c'est là où les anciens ont réussi que la génération ou la jeunesse de maintenant est en train d'échouer. Pourquoi Très bien. Je vous dis, euh, pour consommer nigérien, il faut d'abord produire nigérien. Mm. Il faut produire pour euh, pouvoir satisfaire la demande. Si vous avez pris euh, le premier régime, qui est le régime du RDA, ils ont fait un plan quinquennal pour montrer comment ils ont fait le mapping du pays pour dire que bon, là c'est l'arachide qui est bien, là c'est le, ils ont mis en place des unités industrielles de production agroalimentaire, 87 unités industrielles sur l'ensemble du pays. Les Sotramil à Zender, l'Ilerie de Matamaye. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord accompagné avec euh, l'IRC la production et la sensibilisation des, producteurs et tout, leur encadrement et tout. Et après, ils ont placé des usines des transformations de ces produits-là qui mm-hmm. sont produits en grande quantité et des usines qui transforment pour faire tout ce qu'on avait avant à l'école, nos biscuits, nos yaourts qu'on prenait, nos, nos tout était complètement nigérien. Moi, je me souviens des trucs de biscuits qu'on mm-hmm. amène. Euh, en tout cas, quelle que soit l'heure, tu dans ta classe ou dans les là-bas, tu mm-hmm. peux aller prendre un morceau de biscuit et tu as l'eau, tu as tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est très simple. Prenez tout ce qu'il y avait, la sonora, euh, c'est le Niger qui ravitaillait la France dans les, trucs de légumineuses là. Les haricots verts, les melons et C'est là, sur la route de Tondebia, à Gabougura. Tout le monde sait. C'est des hectares, c'est des périmètres. Et il y a actuellement, les épaves sont là-bas. L'autre maison des chaînes de froid où les cargos français venaient prendre des cantines de Mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a freiné Ce qui a changé, c'est qu'on est rentré dans une génération d'égoïstes qui pensent à eux-mêmes et ils ont oublié l'essence de l'intérêt général. Et chacun est en train de faufiler pour vouloir se réaliser soi-même et laisser la grande majorité qui sont les, agriculteurs, les éleveurs, qui sont sur les terrains, qui sont là-bas. Maintenant, si tu déclenches, par exemple, comme tu dis, une campagne de, de, sensibilisation. à travers... Euh, toute cette nouvelle technologie, mm-hmm. mais qui ne t'adresse pas à la population nigérienne. Et suis désolé. C'est très bien de faire les salons, on en fait aussi et tout. Mais les salons, ça va cibler euh, un nombre très restreint, comme elle l'a dit, c'est juste une affaire de l'État. Et comme c'est une affaire de l'État, quand Diori a réussi dans ce sens, c'est nous qui ravitaillons le Mali à mille. C'est le Niger qui ravitaillait la France, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Gabon en viande tu vas aller aussi, tu vas trouver la maison des chaînes de froid à Icarfan où les cargos venaient prendre cette viande. C'est des ranchs qui ont été faits partout et tous les taureaux qui ont un certain poids, on les a amenés là-bas à l'abattage. Maintenant, tu imagines, on nous fait venir de la viande d'ailleurs. C'est le Niger qui ravitaillait tout le nord Nigéria, jusqu'à Kano et tout ça, c'est l'huile, d'arachide du Niger qui va jusqu'au Sénégal. Le problème qui s'est posé, c'est que les gens ont détruit ce qu'ils ont trouvé. Le peu qu'ils ont trouvé, ils ont eu l'ingénieuse idée de détruire ça et de dire non et de privatiser en vendant à des amis ou à des choses, des complicités, tout ça. Mm-hmm. Et malheureusement, quand on a vendu à des privés, euh, tout ça, tout ce qu'on a privatisé là, ça n'a pas répondu malheureusement. Et ça fait que les tissus de la production agricole pour racheter avec de la valeur, parce que si on ne peut pas conserver, un produit, c'est des produits périssables. Mhm. La tomate, le lait, et tout ça. Je te dis, regarde le lait. Avant, tout le monde sait que c'est à partir des rentes de Tougounous, à partir que des gens là, toute la ville de Niamey. Mais maintenant, les marchés sont abondés des produits importés. les rentes de Dembou, il y a plein de rentes que l'État avait mis autour, rien qu'autour de Niamey en ce mhm. temps. Et qui ravitaillait ces laiteries à travers des dispositifs étatiques. D'accord qu'on mette ça dans les mains des gens et tout, mais finalement, on constate que après avoir mis tout ça, liquidé tout ça, Maintenant, c'est du lait en poudre pour 25 milliards qu'on est en train de faire venir. Les riz, là, c'est euh, autour de 100 milliards. C'est ce qu'a dit le jeune qui a intervenu à Paris. Oui, on est en train de jeter de l'argent par la fenêtre pour au moins 600 milliards pour nourrir le pays. Alors que si on prenait et qu'on mettait 200 milliards au lieu de 600, on prend même si c'est 100 milliards et qu'on les injectait sérieusement dans la production locale, dans la production agricole, mais on va changer, on va changer la tendance. Et puis, ce n'est pas de la magie où on va faire de la fiction, où on va dire que non, c'est quelque chose qu'on a eu à faire et qui a marché pendant plus de 30 ans. Nous allons poursuivre euh, ce forum euh, pour voir un autre secteur qui connaît aussi un coup dans coulement de ses produits, c'est le secteur artisanal. Écoutons à ce propos le témoignage de Ali Akilili, euh, un des nombreux artisans du Niger. On l'écoute. À travers la, peau, le cuir, nous produisons vraiment une variété de produits. Par exemple, vous avez les sacs à main, hommes et dames, vous avez les chaussures hommes, dames, enfants. Vous avez les, produits décoratifs pour les maisons, c'est-à-dire euh, on a des tapis euh, pour orner les, chambres, on a des poufs pour s'asseoir, on a des, lauriers, on a des coussins, euh, on a des, des, les calepins, mhm. les ceintures, tout est du cuir fabriqué au Niger. Le problème, c'est le Nigérien ne consomme pas produits nigériens parce qu'il se sent à l'aise avec les produits des autres. Mais est-ce que ce n'est pas lié au prix euh, parce qu'ils pensent que les prix sont élevés Non, ce n'est pas, pas lié au prix. Moi, je pense que c'est la politique nationale de, l'artisanat qui ne le permet pas. Parce que quand vous regardez ici, chez nos voisins, leur chef d'État en personne, il s'est dit que lui, il est, il est burkinabé, donc il porte burkinabé. mais malheureusement, chez nous, quand vous regardez, nous souffrons de ce manque d'intérêt de nos produits par les Nigériens. Parce que nous sommes des Nigériens et nous sommes à peu près à 60% de la population nigérienne. Nous sommes tous des artisans. Et si on dit que tout ce que nous allons fabriquer, tout ce que nous allons produire, il faut le prendre pour l'amener à l'extérieur ou bien il faut attendre des touristes qui vont débarquer au Niger et puis essayer de choisir quelques pièces pour repartir avec, là l'artisan il va pas vivre. Mais si nos frères et sœurs nigériens, à commencer par les plus hautes autorités de ce pays-là, s'ils regardent de notre côté avec un peu d'humilité, qu'ils nous permettent de bien vivre et de vivre décemment. Vraiment, c'est d'appeler la population nigérienne à consommer ce que nous produisons au Niger. Parce que nous en avons, nous avons l'expertise. Nous avons des gens capables de faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons le faire. Nous pouvons satisfaire le besoin des Nigériens. Et nous en appelons vraiment à cette population nigérienne d'essayer de consommer des produits nigériens. Madame Rabi, vous venez d'entendre cet artisan qui se plaint également du manque d'intérêt euh, de la population nigérienne aux produits euh, nigériens. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce manque d'intérêt réellement Pour moi, eh, c'est un mot que je retiens quand même dans ce qu'il a dit, c'est l'humilité. Il a parlé d'humilité et c'est cela qui nous manque. Je pense que c'est quand tu es humble que tu penses à l'autre. J'étais tout à l'heure, c'est les gens qui comprennent. Moi, je, ne vais pas penser tout de suite comme lui et me dire que bon, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose. C'est d'abord soi-même. pas la politique de l'artisanat, c'est un papier qu'on a écrit. C'est quelqu'un peut-être qui n'est même pas concerné, c'est un consultant qui n'est même pas nigérien. À lui, on a donné, il a rédigé un papier parce que vous voulez élever son argent. Mais toi qui es nigérien et toi qu'on a mis devant, est-ce que tu, quel engagement tu as ah. Aujourd'hui, moi, je pense que tout ça, c'est la démocratisation qui a tout gâté. Est-ce que tu comprends ça Tout gâté au point où euh, tout le monde court vers l'argent. Je vais te dire, moi, je suis resté de l'artisanat. Ce qu'il te dit, c'est authentique et vérifiable. Et, par exemple, les bancs. Les les producteurs des bancs pour les salles de classe, ce sont nos artisans. Mais est-ce que tu sais que j'ai fait tous les couloirs de ce pays-là pour que on ne donne pas la production des bancs à des commerçants, qu'on donne directement aux, artisans, organisés en fédération. Ils sont leur, leur plateforme de menuisier métallique, mmh. menuisier bois. Qu'on sache qu'aujourd'hui, il suffit simplement de donner la, commande des bancs directement, aux, artisans, pour que tu aies au moins chaque Nigérien sera sur un banc. Mais malheureusement, le banc est produit par les artisans. Je, je n'ai pas le prix en tête, mais je suis sûr que les commerçants multiplient par 10 les prix. Hmm. Et moi, je suis allée trouver le ministre concerné. Et je me rappelle, c'était à l'époque où on devait donner des, les, petits outillages aux, élèves qui sortaient de, l'école là qui est sur la route de Colo, IPDR et IPDR Voilà. Et alors, j'ai dit, monsieur le ministre, pourquoi vous allez passer par, par des commerçants Voilà la quantité que tu auras si seulement tu passes par nos artisans. Nous, dites-nous quelles sont vos conditions pour qu'on conforme les artisans à ces conditions-là. Même s'il faut redéployer le code des marchés publics. Le code des marchés publics, c'est nous qui l'avons fait. On ne peut pas le faire contre nous. Et je me dis qu'aujourd'hui, on préfère donner à un commerçant qui n'a rien à voir avec le produit, on lui donne le marché. Et les artisans sont là, lui, il, va facturer à 50 000, il va venir demander aux artisans de faire ça à 1000 francs. Parce qu'eux, ils savent qu'ils ont besoin de 100 francs, ils vont accepter. C'est l'homme, c'est le politique qui doit d'abord donner le temps. Et le temps, là, c'est dans les textes. Il faut qu'on adapte nos textes à nos réalités. Donc tous nos textes sont organisés pour faire les commandes internationales, pour acheter même le bureau là. On préfère ce qui est de Chine, d'Europe, des États-Unis. Mais si nos artisans, là-bas, là, c'est pas parce qu'ils se sont intéressés à leur artisanat que les gens font des bons, produisent des tables jolies. Mais pourquoi nous, on peut pas doper ces gens, les, les, donner de la formation, leur donner de l'équipement pour qu'ils puissent produire les mêmes normes. produits de qualité. C'est une question de croyance. Mhm. C'est une question de croyance. Monsieur Bengui. je vais euh, un peu euh, rebondir, sur, le... dire de madame euh, qui a complètement raison parce que vous savez, avant, il y avait Sony Seram. Et c'est une société, en son temps, si je ne me trompe, c'est une société de cuir et peau qui valorisait tout ce que notre cuir. C'est en ces temps que les gens ont connu le truc de cuir, de, que la chèvre rousse de mm. Maradi, mm. c'est le meilleur sonitan, voilà. C'est le meilleur truc de au niveau mondial, c'est en ces temps. Et maintenant, tout ce qu'on faisait comme abattage, que je vous disais, la viande, les carcasses qu'on amenait au Gabon, en Côte d'Ivoire, donc tout ça là, les, les, trucs de cuir et peau étaient là. Et parallèlement, effectivement, donc tout ce qu'il y avait, on sélectionne les meilleurs trucs là qu'on mettait à la disposition des artisans et des... Vous imaginez un moment là, euh, manger du, haricot ou du niébé, euh, comme on les appelle, comme les jeunes l'appellent maintenant là, niébé. C'était à la limite une honte, c'était, c'est, quand tu n'as rien que tu te rabats sur ça et tout. Mais si Siemi, tout le monde sait, il a, eu cette campagne de, de haour comme on dit. <laughs> Et il a commencé par faire ça lui-même. Il a fait une tournée à l'intérieur et partout il va, on lui fait des mains à base de Dumoury et il mangeait ça lui-même. Les gens voyaient les chefs, coco, et les artisans mm-hmm. qui étaient avec lui et tout ça. Maintenant, ça a boosté et vous prenez l'ensemble des fadas des jeunes et tout ils ça. Ils ont commencé à consommer. Ils ont commencé à consommer. Tu as vu, c'est l'impact de ce que Kunti a fait depuis. Si en son temps, il s'était dit non, non, il, laissait ça. oui, il préfère, euh, je ne sais. Tu as vu, donc tous les problèmes il est là. Hein. Effectivement, nos autorités doivent servir d'exemple et de modèle. Tu ne peux pas dire que, par exemple, tu veux euh, une, chose et, son contraire. Mm-hmm. Tu vois, tu envoies tes enfants au privé. tu dis que tu veux l'école publique. Tu achètes euh, tes costumes en Europe et tout. Tu dis que tu veux les Tu achètes tes ceintures, tes chaussures, tout. Vraiment, ça n'a même pas de sens. C'est ce qu'elle a dit. Au mm-hmm. Burkina, on a amené tout le monde à s'habiller. aujourd'hui, c'est un réflexe mm-hmm. naturel. C'est les, les C'est naturel. Hein. Même si tu les amènes des costumes et tu vas te rendre compte qu'ils ne portent pas. Maintenant, je reviens à Arens, pas à Arens seulement. Les, structures des producteurs qui sont membres de la plateforme. Si vous prenez FC ils font des magasins de, conservation des pommes de terre. Vous pouvez faire un tour vers d'outils vous allez les voir à la sortie du côté de la route de Koni. C'est des magasins de stockage des pommes de terre. Parce que si vous ne faites pas ces magasins de stockage et autres là, vous allez produire en quantité. Et comme c'est des produits périssables, vous avez juste une semaine ou euh, un mois au maximum pour écouler. Ils font de la conservation. Si vous prenez Moribane, euh, Moriban, ils font des semences céréalières et tout ça pour booster la production et ils font aussi, ils accompagnent les femmes là, à faire les pâtes d'arachide, euh, qu'on appelle tigadigé. Oui, dans la région de Dosso. Dans la région de Dosso et tout ça, et un peu partout. Hein. Et si vous prenez Ficopri, c'est la seule structure qui fait de la promotion du, riz. local du Niger. Et ils prennent des prêts, de milliards au niveau des différentes banques pour euh, booster ou accompagner ces euh, exploitants familiaux qui ont des petits périmètres ou des demi-périmètres qui ont des problèmes pour irriguer et tout ça. Alors que de l'autre côté, tu as 100 milliards qui sortent pour aller acheter le riz, euh, Thaïlande, en ah Maintenant, si vous prenez Rennes, nous, on accompagne, on met en place des centres de, collecte de lait, le lait local, là, et on transforme ça en yaourt au niveau des différents chefs-lieux de communes. Vous avez en tout cas les cas de l'outil. Donc c'est ce genre de centres-là qu'on met en place pour valoriser les lait local. Je vais vous dire, par exemple, pour le cas de l'outil que je connais bien, avant qu'on installe le centre, les, laits, litres de lait achetés à 150 francs avec les, producteurs, les éleveurs. Quand on a mis en place les centres, on achète les litres actuellement à 500 francs avec les producteurs. Mais écoutez, dans leur campement aussi, Mm. Maintenant, on a mis des motos, des jeunes, des cabou qui vont chercher ça dans leur campement. Donc, c'est pour montrer euh, vraiment les organisations paysannes jusqu'à mm-hmm. quel point ils sont en train de valoriser. Mais c'est ce qu'a dit madame. Les gens, même si tu as, les gens vont aller, à euh, comment on a, bon, grands magasins, c'est pas l'appel de cité, qui sont là mm-hmm. dans la zone des petits marchés, ils vont t'acheter des petits trucs de yaourt, des de, de paquets, de trucs à 2500 mm-hmm. à ceci, alors que tu peux avoir quatre ou cinq fois la même chose et qui est de qualité pire et pas des, trucs artificiels et tout, qui, qui, qui a les OGM comme vous dites et tout. À un certain moment, euh, nombreux sont les producteurs qui se sont, euh, qui ont fait recours à certaines astuces euh, de rentabilité telles que la fabrication des organismes génétiques, les OGM. Mais on le sait, il y a beaucoup de risques qui sont liés à ces OGM-là. Quelle est-il de la situation actuelle Voilà les conséquences. C'est très simple. Hein. Tout ça tous ces pays-là qui sont en train aujourd'hui de nous inonder du riz, de nous inonder de tous les produits qu'on est en train de faire venir de ceci, de la viande qu'ils envoient et tout ce qu'ils sont en train d'envoyer, les conserves et tout, c'est ici de ces produits pratiquement qui ont les, les OGM. Et c'est quoi C'est des dopages, c'est des trucs d'engrais qu'on met pour que tu vois que c'est la forme de terre qui fait l'équivalent de... Tu as des trucs gros comme pas possible alors que tu sais que toi-même c'est de l'artificiel. Regarde tous ces problèmes de santé que les gens ont. Quand tu vas, effectivement, c'est maintenant sur les réseaux sociaux, on vous envoie pour dire ah, attention, ne consommez, pas tel produit à ah, ceci, ne consommez pas tout ça. Alors que tout nous vient de l'extérieur. Euh, on est obligé de consommer euh, tout, ce qui nous, tout ce qui nous amène. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça à la continence on est en train de mettre ou de, de, de, détruire notre tissu agricole ou notre tissu économique agricole. Tout ce qu'on fait venir comme poulet et tout ça. Avant, là, tu as des, fermes, des trucs, des poulets, des chèvres, du Niger, poulets locaux que les gens font des tours avec des vélos. Ils achètent dans tous les villages et tout. Maintenant, on est inondé de, des trucs de poussins venus d'Europe, du Nigeria, de ceci. Et on est à la carte de départ. On s'auto-détruit. Merci, Monsieur Dengui. Comme je le disais, nous avons. Euh, un invité qui est au bout de la ligne, il s'agit de M. Hassan Hamidou, chef euh, service à intervention et coordination de la police sanitaire. Monsieur Hassan, bonsoir. Bonsoir. Ici au Niger, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, les produits de consommation sont importés. Ces produits proviennent soit euh, des pays développés ou encore des États en développement. Et le plus souvent, euh, la qualité de ces produits reste à désirer. En ce qui concerne les produits importés, est-ce qu'il existe un contrôle en euh, avant qu'il soit sur le marché Oui, effectivement, puisque pour cet effet, il y a eu 42 postes de contrôle sanitaire créés au niveau des frontières. Et au niveau de chaque frontière, il y a des agents qui font le contrôle et qui délivrent des certificats de salubrité pour les denrées alimentaires. Donc, par rapport à ça, il y a l'ordonnance 93 du 1er mars 1993 il fait obligation aux importateurs de faire contrôler les denrées alimentaires qu'ils importent et qu'il y a un décret qui l'a modifié en 2009 il fait obligation de faire des analyses sur tout produit qui rentre ou bien qui sort dans le territoire nigérien. Mais Monsieur Hassan, malgré ce contrôle, euh, l'on trouve euh, la plupart des temps des produits qui ont atteint euh, la date d'expiration ou même qui ne sont pas du tout de bonne qualité. Comment vous expliquez cela oui, cela, après le contrôle, quand ils mettent ça sur le marché, le plus souvent, la conservation peut faire défaut et cet effet peut avoir un incident sur la qualité des produits. Et le plus souvent, quand ils importent, c'est des produits de bonne qualité, mais avec le temps, ils ont des dates d'expiration et quand ça atteint, ils le reversent sur le marché sous forme de promotion. C'est ça que vous retrouvez le plus souvent sur le marché. Et selon vous, M. Euh, Monsieur Hassan, qu'est-ce qui doit être fait davantage pour euh, euh, permettre à la population ou inciter la population nigérienne à consommer local Maintenant, consommer local, c'est à nous et à vous de sensibiliser la population sur les risques liés à la consommation des produits périmés. Et nous devons travailler ensemble pour les sensibiliser à vérifier tout produit qu'ils achètent sur le marché. Et c'est ça le problème. Le Nigérien ne vérifie pas. Dès qu'il voit avec le prix bas, il achète sans contrôler. Donc les médias et nous, nous devons nous associer pour sensibiliser la population. Parce que la production locale aussi, quelque part, il y a quelques problèmes puisque les conditions dans lesquelles on produit aussi ces aliments restent à désirer. Donc il faut des séances de sensibilisation et d'information des populations. Merci euh, de votre intervention. Restez à l'écoute euh, de la suite de ce forum. Je reviens ici dans ce studio. Madame Rabi, vous avez entendu les explications euh, du chef service intervention et coordination de la police sanitaire sur les mesures de contrôle. Comme nous sommes presque à la <laughs> fin de ce forum, rapidement, qu'est-ce qui doit être fait pour privilégier la consommation locale rapidement Moi, je pense que selon tout ce que je viens d'en d'entendre de la part de, M. Hassan. C'est vrai. Et quand on a mis service de contrôle, c'est simplement par rapport à ce qu'on mange. Mais il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses derrière le consommation local. Maintenant, si je reviens un peu réfléchir exactement comme tout le monde pense, pour moi, pour encourager la consommation des produits eh, nigériens, eh, c'est que eh, d'abord les mesures à prendre en amont, même ces deux services dont il a parlé, ou bien c'est l'ordonnance de 2005. Moi, je trouve les textes du Niger très dépassé. D'abord, quand les gens sont à la tête d'un service au Niger, de l'administration nigérienne, ils ne font aucun effort de s'adapter au contexte et à l'évolution de l'environnement. Parce qu'en 1993, on a dit c'est comme ça, on continue. Entre-temps, les choses ont nettement évolué. Moi, je suis certain je ne connais même pas ce service, mais je suis certaine que si je devais regarder sur quoi ils s'appuient pour contrôler, c'est déjà dépassé. Mais entre-temps, ils sont là assis et ils ne peuvent pas faire des remarques pertinente pour dire non, désormais, tel point, tel point, tel point, c'est dépassé, il faut le changer par tel autre, tel autre. Donc, si les gens, on ne les envoie pas en formation, même pour qu'ils soient au courant de comment le monde bouge, ils sont là parce qu'ils sont chefs de service depuis 10 ans, ils ne bougent pas et, puis euh, on fait toujours les choses de la même manière. Moi, je ne suis pas, je vais chercher à le connaître euh, grâce à cette occasion, mhm. mais je trouve que je suis certaine, connaissant comment l'administration fonctionne, que tout ce sur quoi ils sont en train de travailler est dépassé, au moins à 50 pour 60 mhm. Maintenant, la production locale, tout à l'heure, Hassan disait que la production locale, elle laisse à désirer. En réalité, il faut faire la part des choses. il n'y a pas quelqu'un qui est né avec le savoir. Il faut aider les gens à faire et à améliorer. Nous, c'était l'idée. En fait, nous, en du Niger, c'était pas forcément que tout ce, que les gens présentent soit directement consommable. Mhm. Mais c'est d'abord savoir que ça, ça existe. Ça existe, on en fait quoi Nous tous, nous sommes nés, nous avons trouvé est en train d'être fait au Niger. Mhm. Louga, n'est-ce pas hein? On est là, on a trouvé tout ça. Al-Kaki, tous ces mm-hmm. trucs exotiques, on les a trouvés. Mais qui a travaillé à améliorer la production de ces produits-là Qui a travaillé à faire de kakandali au lieu que les femmes continuent de le vendre devant leur propre porte, à ce que ce soit des, des biscuits ou des bonbons qu'on présente aux enfants devant les écoles ou que mm-hmm. aujourd'hui tu vas de n'importe quelle boulangerie de la place, on fait exprès de te dire qu'il n'y a pas de monnaie de 150, mm-hmm. de 200 francs, 200 francs pour te donner un biscuit importé, un bonbon importé. Ou on t'oblige à la moi, j'ai dit, il faut que ces gens aient, mais pour que je change cette tendance, mais il faut que j'offre quelque chose. Il faut donc que j'amende les manières de travailler de ces femmes qui aujourd'hui travaillent sur ce produit depuis des années, au lieu de faire telle dimension, mhm. ramener ça à 25 francs, que ça soit à la portée de nos enfants dans n'importe quel quartier. Produisez, produisez, produisez, améliorez-vous, adaptez-vous à ce qui s'importe. C'est ça en fait qui peut changer les choses. Mais si on considère comme si ça va de soi, je reviens sur la production de l'huile d'arachide par mhm. exemple. L'huile d'arachide du Niger, tout à l'heure, nous étions premiers producteurs de l'arachide. Ce pays a fait la fierté de l'Afrique euh, en termes de production d'arachide. D'un coup, des gens se soulèvent comme ça. Ils pensent que, ils regardent sur Internet des choses qui ne nous concernent même pas. Ils viennent, ils disent, ah, huile d'arachide là, ça contient du cholestérol, tu tombes malade. Ah, mais on a vu l'importation du tabac tous les jours, la quantité de tabac qui rentre dans ce pays. On, on, on met la prudence consommer avec modération. Mais si on considère que l'huile d'arachide est un danger pour, pour les Nigériens, pourquoi le euh, mettre, simplement consommer avec modération. Mhm. Mais on ne peut pas empêcher à des milliers ces femmes rurales-là. C'est ça qu'elles savent faire. Elles ne connaissent même rien faire mhm. que, l'huile d'arachide. Partout où tu parles, tu trouves les villageois, c'est l'huile d'arachide qu'elles maîtrisent. Donc si aujourd'hui, des femmes dans la région du Dosso sont en mesure d'offrir 50 tonneaux d'huile par semaine, ça, c'est quelque chose de vérifiable. J'ai été là-bas, j'ai vu, c'est pas qu'on m'a rapporté. Et cette huile-là, on a tout fait pour positionner ça, pour que ça soit quand même l'huile qu'on achète à l'hôpital national, l'huile qu'on achète pour le centre des œuvres universitaires, l'huile qu'on achète. Au moins, là, c'est des achats de l'État, parce que c'est l'État qui doit aider, acheter d'abord. Et maintenant, non, non, on préfère importer l'huile d'un pays qu'on connaît même pas et donc on ne connaît même pas lui, là, c'est de quelle nature. Mais les gens pensent que en rentrant dans un magasin snob, acheter, sortir, c'est qu'on est, on est au-delà, on est devenu un autre Nigérien. Tu n'es Nigérien qu'en si tu aides quelqu'un. Merci Madame Rabi, je donne la parole à Monsieur Dengui, on est presque à la fin. Je pense qu'il euh, faut revenir, ça ne sert à rien. Euh, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Le contexte du Niger, les gens qui ont compris par rapport à notre alimentation, c'est bel et bien nos papas ou nos grands-pères là qui ont, sont arrivés à faire un mapping et à booster la production. C'est ce qu'elle dit. Hein. On mm. était premier par rapport à, la La, Il n'y a pas de raison qu'on a fait en sorte des gens qui veulent nous imposer. En son temps, c'était l'île du Nord hein, qui voulait venir au Niger et on a dit attention, votre île est ceci. On a balayé notre île, on nous a mis dans du Nord, après mm. on nous a mis dans du C'est des, des stratégies qu'ils utilisent pour montrer, pour notre lait on avait tous ces ranchs-là et tout ça. Tout ça, là, on a dit non, euh, l'État ne peut pas gérer des ranchs, c'est ceci, on a privatisé tout, et puis bon, maintenant, voilà, les mhm. gens ont même perdu les terres où il y avait les ranchs et tout. Ça fait mal. c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire, ou si c'est des, choses qu'on n'avait pas vécues on va dire peut-être que ceci, mais c'est des choses qu'on a vécues où nous, on nourrissait d'autres pays. Maintenant, il faut qu'on revienne vraiment prendre des dispositions pour faire des irrigations au maximum pour booster notre production. Et une fois qu'on aurait boosté notre production, il faut en amont faire en sorte que nous puissions conserver nos produits et il faut l'appui, l'État doit accompagner par rapport à la commercialisation de ces produits. En son temps, la Bédrine n'avait que ça comme travail, mm. la CoPro n'avait que ça comme travail. On avait nos propres outils. En fait, on n'a pas à chercher, il faut qu'on ramène ce qu'on nous a amené à détruire, ce que les partenaires nous ont amené à détruire et à mm. privatiser là. C'est ça qui est pour le contexte nigérien. On doit ramener ces choses et les, et les mettre à l'échelle. Merci beaucoup. C'est sur ces conseils pratiques pour inciter la population à consommer local que se referme ce forum. Merci à nos invités, Madame Rabi Arzika, elle est promotrice du salon 100% Made in Niger. Merci Madame. Monsieur Amadou Dengui euh, de l'AREN, de la plateforme paysanne, merci à vous. Et Monsieur Hassan Hamidou, chef service à intervention et coordination de la police sanitaire qui est restée en ligne. Merci aussi à tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. À bientôt pour une nouvelle thématique.